ak rek <laughs> bah na daal nañ dem rek man ak yeen bari ngeen ciow bari histoire ta nay bu ma wootee dara du ngeen ma respecté ta bu sen ñi <laughs> leen amalul njëriñ bu ñu wote ngeen respecté leen man nak joxu leen ma cër waye yalla nama yalla att ak yeen wala ñu tambali tambali tay ben dong la nan puccax aja ci au Sénégal on dit gor jigen alhamdulillah les gars écoutez bien ce monsieur gor jigen du fi am te du fi ma tambu des animaux bokon na ci limu doon gëna xaar Quand nous fait légaliser pour écoutez bien. il est alors évident que les velléités extérieures de nous imposer encore une fois l'importation de modes de vie et de pensée contraires à nos valeurs risque de constituer un nouveau casus belli. La question du genre, par exemple, revient régulièrement dans les programmes de la majorité des institutions internationales et dans les rapports bilatéraux

voilà attentivement <coughs> pour différents partenariats financiers. Nous pouvons noter aujourd'hui que la question des genres n'est pas nouvelle dans nos sociétés. Il ne faut pas penser que nos sociétés ne connaissaient pas ces questions. Elles les connaissaient elle les gérer à leur façon. Elle n'est nulle part d'ailleurs et est presque consubstantielle à l'humanité. Elle ne peut être donc l'apanage de l'Occident. Chaque société, comme je le disais, a établi et perpétue librement ses mécanismes d'absorption des faits sociaux qu'il faut respecter dans, la limite de l'humainement raisonnable. Par exemple, la France interdit la polygamie. Le polygame que je suis serait un hors-la-loi Nous l'admettons. Nous l'admettons. Nous l'admettons si tel, si tel et la culture, le mode de vie de la France et de l'Europe. La France particulièrement et de tout le monde occidental, et je vous félicite et vous encourage parce que vous êtes l'un des rares hommes politiques français qui le dénonce. la France fait de la stigmatisation d'une religion, en l'occurrence musulmane, son exercice favori, au point d'interdire à des musulmanes de s'habiller comme elles l'entendent. Si tel, si tel est, si cela est conforme à la culture, au mode de vie, aux options des Français, nous l'acceptons et les Sénégalais qui vivent en France devront s'y adapter. Eh bien, si aujourd'hui, dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de lui trouver des concordances sématiques. Ici au Sénégal, on dit Gordigen. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. Mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon et selon nos réalités socioculturelles. Et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations, nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue, de respect, de réciprocité et de tolérance. J'entends souvent, quand il y a des problèmes en France, les officiels disent c'est à notre mode de vie qu'on s'est attaqué. Quand il y a des kamikazes qui posent des bombes, ce que nous dénonçons tous et tout le temps, le discours c'est que ces illuminés s'attaquent à notre mode de vie. Eh bien, nous aussi, nous avons un mode de vie. Le mode de vie ne peut pas être uniforme et universel. Il doit souffrir de quelques exceptions, ça et là. Et c'est pourquoi je conclurai par dire que sur ce phénomène particulièrement, le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de leur imposer la légalisation. dafa nekk alaxira wala damaa ngi ci moom bi ay waay waay waay li li li li li lii gentu wala dama nekk alaxira wala man magi ngi ci terre bi ma nekkoon doon cocktail molotov ak ñoomin seen yooyu fan laa ne waay waay dimbal leen ma fan laa nekk yéen est-ce que nekk ñu alaxira Sénégal 1960 ba kon ngi am ci réew mi fekk jamono ji قال لك الحمد لله الحمد لله غور جيغن دو في ام تي في مسا ام لي لا بوكو نتي مودون غنا خاتي ناج دي فيديو defoon naa vidéo ñu may ñu may day ñii menaces yu kenn xamul. ku ma ci quartier Alpha Basir loo ñu indil fii lii. kilifa diine yi nag war ngeen a ñaan de kii ñaan leen mu gudd fan de kii. moo ñëw taaw ne góor jigéen du fi am. te ñun dañuy am fit ñaari jabar lañ xam. góor ci kër. yow kañ maa ngi doog a xam. li tax jigéen ñi amul jëkkër seen kër seen xol yi di tàng ñu tàng xol une deux trois ñu indi histoire mën a mën a nangam nangam di wañas wañasi sen xeesaay yi du mat leeraay yi du leer dara du leer way gor ci kër way sénégal amna gor way way way da <laughs> nga don li nga da ngay gëm nga doon waay xaram xool xaram xool xaram xool xaram xool damay surveiller dama attaquer ño xamné ne ils sont inattaquable in inattaquables kenn du leen attaqué ñi ma gis kenn du len attaquer la ya illah <coughs> waye dégg Ousmane taxaw na pëgg ci kaw table bi li kilifa dina yëpp defoon signature yegg Jibril War xoti ko makissal di yabar yabari ñu yaakaar ne góor la ndekete diriyanke la yor suñu drapeau ànd ak Macron dindi ko dugal ci poosam ñu laaj ko tag ko ci télé bi laaj ko ndax góor jigéen mu ne non la corruption non la corruption le gouvernement ne les accepte nee na ñemewut a wax ñemewut a wax tey Ousmane ñëw na teg ko ci kaw table ji góor jigéen xam nañ tur bi yéen a ngi dégg xam nañ tur bi genre xam nañ ko dinañ ko dund nag à notre façon góor jigéen bu fi dof dof dañu dinañ tal sa nday la la wax aper gis nga bu ngeen bu ngeen amee xol bu bon góor dëgg moom mat dem leen ngeen xol jigéen ñu tàng xol yi lan moo leen tax a tàng xol góor lañ amut seen kër góor dëgg boo ko amee da ngay belli jigéen ñi nga fi gis ñu rafet yépp dañoo am góor gu wóor góor gu matul nag ku am do belli di nga tàng xol di nga soxor di nga ñeme sëriñ